Je parle en homme d'État. En homme d'État, je ne parle pas en partisan, je ne parle pas par rapport à mon appartenance à cette région. Et je pense que Monsieur le ministre Daouda Diallo qui est là, qui a été ministre de l'Intérieur, certainement comprendra aussi ce que je veux dire lorsque je parle de Kédougou comme zone poudrière. L'insécurité commencer à y avoir. Nous ne a fay faire waa Burkina duma ma tudd sax réew parce que ñoo bokk réew yi ñoo bokk Afrique bi wante li fa xew dafa doy waar dafa nekk mel ni gouvernement ci biir gouvernement mu am ay traite de personne ay xale yu jigéen yoo xam ni dañuy embaucher dañuy leen di recruter recruter ay nit ñoo xam ni dañ leen war a ngeen baal ma ci wax ji di leen dévierger di leen jàngal loolu di leen miinal prostitution am na kii dugg muy jógee ci yeneen réew di dugg amna na de plus en plus ay explosifs ay armes yo xamni luñu musul gis mu fay am te question wu insécurité bi ci zone Sahel dama ragal mu dougué côté boobu ragal na ko lol ñu ngi wax tamit mbirum drogue fani war nañu def ndank bu baax a baax def attention à Kédougou et quand je disais que pour des questions de sécurité il faut changer les paradigmes il faut décoloniser notre façon, nos rapports à la budgétisation, au, budget, euh, euh, au budget, programme surtout. Il faudrait absolument donner la dignité qu'il faut à chaque région. L'UNEC, en fonction de son contexte, de l'environnement, de l'époque, nga avons am sañ-sañ li nga wara def nga ko côté parce que dëkk ba ko laaj jamono moo laaj mais ces rapports colons encore si c'est toujours pensé à partir de la capitale nous ne pas. Nous avons aussi une question RSE l'entreprise n'est pas l'État et de plus en plus lorsqu'on parle donc de mine à Kidougou, on attend un peu plus ou un peu trop de la RSE et des entreprises RSE ou euh, li Waradef, madame le ministre Canada nga le Canada nga xam wax zone yi ñuy mini zone yooyu il gën a forêt ñoo gën a propre il y a une politique énergétique de la part de l'État pour justement aller dans le sens de protéger l'environnement et de protéger les, euh, les, populations. Mais li ma gis Kédougou ba léegi kaaf cas ngi fa Nous ngi gas di de tout à l'heure boo dégg naa ngay wax ci waxu euh, réhabilitation yi un député tamit euh, wax et je pense que c'est une urgence parce que li fa dangereux et tous les jours mu am ay éboulement tous les jours mu am ay mort d'homme madame le ministre mang la ci interpeller di waxat ci problème bi mo wax sank l'état n'est pas l'entreprise euh, li suma camarade Ousmane Sonko wax sank c'est vrai que opposant mo wax mais beugna naa tamit ñu déglu ko té kat parc ñu ko la ko li fa am mais kooku du question ou parti question ay nit yuy la ay eau yo xamni ni était pollué je ne dis pas forcément que c'est votre ministère, mais simplement l'État est interpellé. C'est une question de sécurité. politisé, c'est une question très sérieuse. Et heureusement aussi que nous avons une justice, un procureur de l'autre côté qui a fait un travail remarquable remarquable et c'est le lieu ici de le féliciter. Et Khamnani, il y a eu de fortes pressions, mais quand même, il a tenu à mener ce combat et des services donc ont été interpellés. Je vous encourage en tout cas, nous menons revoir cela, sécuriser les populations et sécuriser donc l'environnement. Mangi Nyantamit, Madame le Ministre, vous avez parlé de champions nationaux, il faut parler de champions locaux. Kédougou Teidi, Dafon amuñu sax ben PME wala ben champion bo xamni ci secteur rafetul discrimination positive tamit baxna meuna jël accompagner je crois que c'est dans l'esprit aussi de la RSE et il faudrait par rapport aux indicateurs parce qu'on parle de budget programme mu que des indicateurs qui vous permettent en fait avec plus de qualité et de finesse de voir en fait et d'accompagner la politique RSE